que Bimay may appelé si élection yi Moi, président dit que bi sénégalais yi di parce que nous ndaw une union engagé wu pour le porter à la magistrature suprême la preuve ndaw unis autour d'une seule personne c'est la candidature de Maître Madi les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes vous avez vu depuis ce matin ndaw ñu mobilisé wuñu pour le porter à la magistrature suprême en dehors même du pari de la mobilisation je pourrais apporter une réponse positive à mes détracteurs et frère du Parti démocrate sénégalais. Le PDS c'est moi. Le patron, c'est moi. Je suis le président de la fédération départementale du Parti démocrate sénégalais à Thiès. N'en déplaise aux rancuniers, méchants et revanchards. Moi, je reste et demeure un responsable, le responsable du Parti démocrate sénégalais. La preuve, toutes les sections, tous les responsables du département se sont mobilisés pour pour, accueillir le président Madi Kenyan. Nous sommes du PDS, nous la réclamons, il reste et demeure le candidat du Parti démocrate sénégalais. Je préfère répondre à travers des choses concrètes. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu avec moi. Le Sénégal, le Sénégal, c'est la jeunesse. Le Sénégal, c'est les femmes. Le Sénégal, c'est les vieux. Elles sont mobilisées pour montrer au président Madi Kenyan que Thiers le porte le porte pour le porter à la magistrature suprême. J'ai entendu ce matin le directeur de cabinet du président le plus incompétent et impopulaire dans l'histoire politique du Sénégal, dire qu'ils vont, gagner, vont gagner les élections au premier tour avec 75%, ce qui reflète du pur mensonge. Ils sont en train d'insulter la conscience des Sénégalais et Sénégalaises, mais ces mensonges ne passeront pas. Nous sommes plus que jamais déterminés à déboulonner Macky Sall et le deuxième tour est inévitable avec le candidat que la le candidat de la réconciliation nationale qui est Maître Madi si Maxal si veut créer le chaos au Sénégal, il l'aura. Nous sommes prêts à verser notre sang pour la libération du peuple. Et qu'il sache que les Sénégalais l'ont venu, son image ne passe plus. La preuve, partout où il passe, il paye des artistes qui anime pour lui, pour qu'il puisse avoir une masse. Là, vous l'avez vu, c'est du bio, c'est du concret, c'est pas une mobilisation qui est faite par l'argent de la corruption, c'est pas une mobilisation qui est faite par l'argent du dopage, c'est pas une mobilisation qui est faite par l'argent du pétrole. Ça, c'est du vrai, c'est du bio. Encore jeune, je dis bien, n'a reçu un sou. C'est des jeunes engagés et déterminés qui croient en ma personne, qui sont mobilisés pour la libération du peuple. Vous l'avez vu, depuis ce matin, c'est des milliers et des milliers et des milliers de jeunes qui sont sortis. Encore une fois, le pouvoir est en perte de vitesse. Ils sont en train de payer 3 000 francs et 500 000 francs pour donner ça aux jeunes. Mais les jeunes, mais les jeunes savent que le candidat idéal pour nous, mooy tànneef bi daal xel muy mooy maître Madické la preuve ndaw ñu génn nañu pour am si moom yaakaar ngir mu soppi doxalinu réew mi ñun li ñu wane ñëpp xam nañ ko doxaluñu sas au chercheur dañu ñëw pour jubale xol yi sénégalais bokku ndey bokku baay muy un Sénégal de réconciliation pour ñu liggéey tabax réew mi moom lañu soxla te nit ñi xam nañu ne Madické Niang la ñu yaakaar moom la ñu gëm moom la ñu bëgg ngir soppi doxalinu réew mi